supérieur que Bougan était à Mbour. J'ai été à Joal, j'ai rencontré les pêcheurs. wax nañ ma que ay jafe-jafe géej bu amul il faut ñu xam kan est responsable et le responsable aujourd'hui c'est ñi signer ay accord de pêche responsable aujourd'hui c'est ñi permettre ay bateaux ay bateau tubaab ñu faire des ñëw ci Dakar ñëw ñëw si suñuy géej di lek suñu jën di jël suñu xaalis di ñu toroxal toroxal mareyeurs yi toroxal euh, nappkat yi toroxal wa Sénégal voilà. d'accord voilà vous vous pouvez transmettre ça.

garabu ndox moi je me cache pas. Voilà. Euh, maintenant, président, qu'est-ce que vous comptez faire mais, mais, mais, on ne fait rien. Il nous interdit l'accès. Ils disent qu'on est en rassemblement. On n'est pas en rassemblement, moi je suis seul. Vous, vous me filmez, non Je suis seul. Au contraire, c'est eux qui sont en rassemblement. Voilà. Mais nous, quel nous nous terre dem ci sénégalais yi wax seeni problème Nous yi dañu sonn de nous moo tax ñu sol suñu dàll ñëw ci ñoom kenn duñu nous ñu ñëw wax ak vous pouvez rendre compte. Rendez compte à vos supérieurs. Et mon lieutenant, dit à votre supérieur que Bougan était à Mbour. J'ai été à Joal. J'ai rencontré les pêcheurs. il faut responsable et le responsable aujourd'hui moi ñi signé un accord de pêche responsable aujourd'hui aujourd'hui dit ñi permettre un bateau ay bateau tout bas